nous fi ici, fii quartier pour euh, inaugurer li ñuy wax la maison des pêcheurs Kër Moly que dafa fruit la coopération entre Anne et fosse sur mer alors coopération que ñun dañ saluer te profiter pour remercier État du Sénégal mais remercier gouvernement français parce que tabax nañu ba un waaye tabax bi pas buñ inauguré lan la maison def ci loolu mooy li ëpp solo dans le projet te bëgg nañu former bëgg nañu pêcheurs yi am foo xamante ne foofu nañu gisee di toog di waxtaan ku dugg si tey boo demul quai de pêche war nga ñëw fekk si waa dëkk bi ñu dalal la ngeen mën a am béréb boo xamante ne recevoir toog waxtaan mais surtout di fi mën collecter ay base de données parce que boo wàccoon fii tey nga bëgg am information ñaata gaal la fi nekk nous nit ñoy intervenir le secteur pêche ñaata jigen mo am ñaata tonne de poisson mo fi génn koku wa dëkk bi war ko à travers maison de pêcheurs fi man fi construire une base de données. Je pourrais dire aujourd'hui que c'est la énième fois que le maire de Fos vient à Dakar pour inaugurer en tout cas euh, ce projet, cette construction, mais euh, cette fois-ci en fait dans le secteur de la pêche qui est un secteur extrêmement important où l'économie de Anne, j'aurais même dit du quartier de Yerach, repose sur la pêche. Vous avez pu voir que la particularité cette année, c'est que on, parle d'un dispositif conjoint, ce qui veut tout simplement dire qu'il y a eu l'appui du ministère français de la coopération et du ministère sénégalais de la décentralisation, qui en réalité va nous accompagner sur la capacitation, c'est-à-dire le contenu que nous devrons donner en tout cas à ce bâtiment. Le bâtiment aura coûté 18 millions, où Anne Belair n'a eu à mettre que 6 millions, là où la mairie de Fosse a eu à mettre quand même 12 euh, millions. Je dois dire qu'en fait ce projet est un succès pour Anne, pour la coopération, mais surtout encore une fois, ça a été une belle opportunité pour les pêcheurs. La sécurité est un problème effectivement. Euh, nous sommes en train de travailler, comme vous le savez, avec la gendarmerie. Nous n'avons pas de police. Les femmes, déjà, nous avions commencé depuis un certain temps à échanger avec elle, à mettre en place un certain nombre et même à faire des subventions à leur activité. Donc comme j'ai eu à le dire, nous essayons de trouver selon les possibilités que nous avons d'assister